Mhm. j'avais l'habitude de dire jour vous bu malheureusement ils l'ont fait incognito et et parce que je rappelle c'était pas d'où on a une euh, proposition de loi à projet de loi oui dafa différence. pourquoi et vous projet de loi c'est parce que le président a moi ko Vous mhm. bu proposition de loi c'est parce que les députés eu Mm porté. Mhm. Donc, c'était un projet de loi, c'était un projet du président Sall. Oui. Après avoir vu euh, conseil scientifique B, le président Macky Sall a dit oui, je vais aller sur les objets. Nous avons loi Nous avons loi bi loi bi loi. Nous article 50, eu 52, mais biñ ko a affaire yi et quelques articles. Mhm.

Vous classez OGM TIA, IA intelligence artificielle mhm. alors que OGM Maison, chantier ou avez-vous juste besoin d'eau potable Verlom Agro Group vous amène des camions équipés de nouvelles technologies de forage à deux points simultanés, une équipe expérimentée pour un service de forage avec précision et rapidité, peu importe la structure du sol. Appelez le 33 153 24 90 ou le 77 568 21 66 pour une intervention rapide n'importe où au Sénégal. Parce que les Africains, parce qu'il est en train de défiscaliser son argent. C'est ça.

selon le euh, décret de loi bi sur l'ANB l'autorité nationale sur la biosécurité qui dit que l'ANB trois ans la war a def mandat renouvelable une seule fois mon Mougifi 2014 il y a plus de quatre ans. oui du moment qu'on sur la table qu'est-ce qu'il a dit il a dit qu'il en il il en est convenu avec Macky Sall pour que nous toog fi donc en violation.

mu analyser jox ma ma ñëw indi këyit yi nag brandir ko ci télé bi ne ko wax amul Sénégal léegi wax ma lii produit bii du tax mu nekk OGM. Mhm. bés boobu léegi nag laa ko gëj ci télé yi. que. kon nag OGM am na Sénégal nit ñi ñu ngi koy dundee mais ki ñu waroon protéger moom nee na OGM nekku fi ko OGM mu ngi Sénégal kon donc il la failli à sa mission léegi lan moo tax ñu échoué ci démb. tey ba léegi ni ki ko dugal Sénégal continue di insister pour dugal ko Sénégal ñu nangu ñu dugg ça va mhm. c'est grave. mais mais léegi léegi Alpha. nan la nguur bu bees bi mën a def pour dindi loolu loi boobu OGM boobu. toute majorité des lois assemblée nationale loi loi moo koy abrogé. exactement mais mais dina xaw yéme parce que les intérêts qui sont à jeu parce que bo xoolee ba légui ni la motax suñu nguur gu bees gi mënagul avancer bu baax dañ ko pogné donc neexul wax mais dañ ko pogné mhm. donc bo buggee bo déggee sax ñuy wax euh, déclaration de politique générale nit ñi di ko analyser sur le plan politique mais lolu taxul taxul taxul Ousmane Sonko deful déclaration. Mhm. Ousmane Sonko mënu won def déclaration de politique générale tant que FMI ñëwul woon. Mhm. FMI ñëw tegal koy ay axe ne ko ñett yi dama bëgg nga léral mo 450 milliards yi nga yi nga levé ci eurobond yi dama bëgg nga wax ma foo koy def da ngay def ay réformes surtout pour euh, euh, Sénélec ba pare mu ne ce kii bi ce euh, ce projection wu année prochaine il faut nga teel ma ko jox kon donc xam nga tey ji plan Ousmane Sonko bu fekkee ne ñëw na bees xamagul waa FMI xamaguñ li si nekk ñooñu bi ñu risqué jël loolu moo tax gisoo bi ñuy dem dañ teg chantage ne bu mu amee ñett yooyu laa lay jox 230 milliards yi ngay prétendre pour mu jugee FMI. moo tax bu fekkee Bill Gates mu ngi financé institut yu mel noonu yow nga bëgg a traiter Bill Gates dugg foofu day poser problème parce que ñooñu noonu FMI ak Banque mondiale sont les défenseurs des multinationales. voilà voilà voilà voilà loolu la ñuy jaarale loolu la ñuy jaarale ci benn consensus ñu tuddee que le consensus de Washington voilà Aziz de Washington boobu fan lañ dëxëñee seen yu bon yëpp. ok ko imposer les pays africains. ok Légui Alpha. Alpha Nak, Légui, nit normal buy réfléchir. waaw So, toogee dégg lii. Mm-hmm. est-ce que war ngaa toog di di yakarne yow sa askan ak say askan yi wara ñew ñëw suba dinañ tekki dara tank ñi ñu ngi dundé ni ak yow tay so xolé li gars di bañ ñu wax ko. tama ci sa xam-xam ak sa xalaat moo ne rapport bi nga xam ne am alliance des états du Sahel ak ki nga xam ni moo di CEDEAO ñoom ñu daje fële ca dimanche ca ca ca Abuja ñooñu Burkina Mali ak Niger ñoom lijjantiwuñ leen ñu ngi ci seen banque d'investissement ñu ngi gérer seen ay usines d'or yu ñuy récupérer ñu ngi ci beneen niveau yow en tant que quelqu'un d'averti ban xalaat nga am ci loolu est-ce que ànd nga ak man sama gis-gis ba gàtt ne que tey on est à l'ère du monde multipolaire qu'il faut s'ouvrir à tout le monde et que tubaab yi nga xam ne ñoo ñu sonal di Occident en général ñu ñu am pas-pas yi ut doole taxaw jaax jàkkaarloog ñoom. léegi baasal tey tey ci information boo ni télé Burkina bi yàlla daa dogal nag damay seetaan ñoom ñëpp. oui oui. Euh, euh, les, les, Ghanaiens, ils ont repatrié 230 euh, qui <laughs> C'est incroyable. Incroyable. tant que le, le, le, capitaine recevoir. avion parce que kenn xamul prétexte parce que c'est le premier mois dalay day négocier ak yow bul dem bul dem bul dem. Uh-huh. ba sommet am. Uh-huh. sommet boobu moo am. léegi dafa desaat beneen six mois bi ak beneen sommet di am. waaw si la lay menacé mooy menace yi mu def keroog doo am visa. exact di la di la wax daal maanaam boo bokkul ci ñoom li la ciy fekk. exact léegi ba beneen some bi bu fekkee ñëwaatoo bu boobaa yow sa dem ak sa dem ak ten. léegi nag ak lu ci mën a am ñoom nee nañ. ils ont pris un chemin de non retour. Mhm. léegi nag man moom bu dëgg neexee yàlla man je suis contre la présence française sur suñu territoire voilà. Légui, boo xoolee CEDEAO démb nga xool ne il y avait ben parti bu ñu carrément les européens ci biir sommet Lo xamni africain xalatou ko ci diggu Union européenne Bruxelles. wax deug yalla mané autant autant suba la ñuy la ñuy ban africain moo def. wallahi cham yaa deg cham legui nak bo defé say gëstu ci bir après si ngay gis ne biir CEDEAO biir CEDEAO union européenne dafa am ambassadeur. c'est terrible c'est terrible. legui nak lolou la Maliens yi doon wax. voilà et ils ont raison de le dire. legui pourquoi ñom nee li de def n'est c'est pas bien pour les populations parce que les populations sont synchronisées mais bi le Niger quand il faisait blocus au Niger mhm. jaar Nigeria on manquait le recours. courant combien de jeunes burkinabés sont ont, trouvé la mort au hôpitaux oui. pourquoi bi ils n'ont pas pensé ils ont pas pensé à la population burkinabé le nigérienne c'est incroyable jaar jaar jaar ci Bénin jaar ci Bénin mu bloqué au Niger voilà les filles ah. Jean-Yves ancien ministre des affaires étrangères de l'Enfant, France, na publiquement ci problème au Mali appelé le président en exercice de la CEDEAO pour qu'il mette plus de pression sur le Mali. c'est incroyable. mais comment dans un état boo nous ne ñun pas souverain un autre pays un état, publiquement ne woo un président organisation pour mettre la pression. c'est incroyable. incroyable barki démb euh, waa waa waa waa waa vallée du fleuve Sénégal ñu ngi doon defar ceeb bu bees euh, kii CEDEAO bi ñuy tuddee réserve boobu ku ko financé France. léegi yow xoolal li ngay lekk sax France koy financé. c'est incroyable c'est incroyable. kooku noonu bu nga waxee nga xool fii da ngay xool fii c'est ce que le Mali le Burkina et le Niger la ñu comprendre. ñu bokk ci lu mel noonu. pour ñu Alpha. cest tellement important mais c'est pour des femmes et compatriotes qui nous interpellent même Hein? Paasan il faut être réaliste oui il faut être réaliste il faut savoir oui parce que am na xam duñ ko mën a parce que parce que alors que il faut que nous nous pour nous faire face à ces gens là léegi tay Alpha su ma la laajee doole boobu yow lan nga ma wax nan qu'est-ce qu'il faut faire. ma imaginons la la carte de l'Afrique on imagine le Niger le Burkina le Mali Hein? Oui. C'est un espace immense. Niger. oui. oui hein? Niger mën centrale nucléaire. oui mais d'accord. ah grâce à l'uranium. oui. Burkina Faso. Mhm. l'un des l'un des grands producteurs d'or au Mali exact. on est d'accord. oui. le Mali Mali Mauritanie

mën nañu proposer ay centrale nucléaire ñu am courant bu doy. Mali daa yaatu ba kenn xamul. ba kenn xamul c'est pas possible c'est plus d'un million de kilomètres carrés. voilà Mali mën na nekk ab bayukaay bu bu kenn xamul imaginez Sénégal bokkoon ci parce que Sénégal rek l'intérêt siw ndax moo dugg directement sur l'océan Atlantique. Océan Atlantique wallahi léegi ñeneen ñi di wax dañ ko dañ dañ leen di tëj. noo leen di tëjee waa léegi waa léegi da nga bëgg a tëj di laaj visa waaw Assane imagine Ghana Ghana Côte d'Ivoire ñu ngi ci suufu Burkina Faso. oui. waa léegi bu ñuy bu ñuy voyager seen avion yi xanaa bu ñuy jaar espace. aérien wu ñaari dëkk yi xanaa dañuy fay. certainement <laughs> certainement. gis nga ni dañ ñu ay dof. certainement mais comme comme mais mais Alva. Alpha comme parce que li gën a donné ci àdduna l'arbinisme et l'esclave qui refuse de de se libérer c'est-à-dire mooy li gën a donné. ci c'est-à-dire que c'est-à-dire que esclave boobu mérité wu sax dund donc aujourd'hui ñun ñun finissons ñu toll mais léegi est-ce que aujourd'hui Alpha à mon mhm. message booy adressé le président de la République Bassirou Diomaye et on ne sait qui boo ko Conseil, conseillé tey lan nga kaa wax. xam nga keroog bi mu Mali. dafa def erreur de communication diplomatique bu grave. Mhm. notre président dafa toog. Mhm. kenn yónniwu ko fi daa ñëw dox jàmm xool nan lay yóbbuwaatee waa Mali. ci biir CEDEAO ndax ndax ils sont flexibles mooy maanaam li ngeen nekk dëgërul. Mhm. déglu de koo xamante ne fële dañ koy dóor di ko saaga. di ko xiifloo di ko rey. ñu jóge ci loolu nga nek ci léegi yow ci li nga nek di dund baaxul. kaay ñu ah, dem ma yóbbu la ah, ah ah loolu loolu Alpha li ngay wax ni moñu hmm. bolé ak une bonne partie des Africains actuellement dans les forums ñu ñi yek lu melni xémé parce que simplement nénañu Sénégal 1960 nous avons été traîtres face à Cheikh Touré fait ak Senghor en 2024 nous risquons encore d'être de vivre cette même traîtrise ou de la subir de la part du Sénégal te loolu kaddu la bo xam dañ ko wara daw aussi. wane la face. Senghor a ko tas wallaahi. léegi nag ñu ñëwaat ba léegi ma wax na foofu boo xoolee langage corporel bi instant boobu nga xool Assimi Goïta bi bi suñu président bi di wax loolu nga gis ni mu ngi yëngal muscles yi di téye loxom bu baax c'est-à-dire il se maîtrisait. exact il était en colère. exact kooku di wax. beneen bi mooy man damay wax ñun waa Sénégal ba ñuy dugg dans le fanatisme wala yooyu dama bëgg. que ñu raisonner juste et vrai. Mm-hmm. imaginez. Mm-hmm. Prince nyata ñaata réserve or la am 3000 tonnes d'or te amul mine d'or. waaw. France sax a ëpp Russie bi nga xam ne am <laughs> mine d'or. France ëpp or. <laughs> jël jëlal benn deuxièmement France est une puissance nucléaire amul uranium. waaw. France deuxième jaaykatu essence ak gasoil ci àdduna bi France amul pétrole. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. léegi léegi yow moi France bi nan la mën a def ba nekk cinquième puissance mondiale. ah ay ay ay ay nit yu yu nangoo esclave c'est tout des Africains qui acceptent d'être des esclaves c'est tout c'est tout. nga. tu as suivi Alpha Alpha Alpha tu as suivi le sommet le premier sommet de l'AES tu l'as suivi au Niger. waaw bien sûr waaw bien sûr ci kanam bala may tëj sax damay teg discoursu Ibrahima Traoré bi ñu déglu ko bo paré mom la ma tëjee parce que réew mi toll na foo sëñ bi faw nuy waxante dëgg bàyyi euphorie bi ak kii bi suñu kilifa yu bees yi dafa am ben affaire bo xam dañ ka xex ba fi Ousmane Sonko nek un panafricain bu africain yu bari gëm il ne faut pas ñu dem ba tok ci nguur gi nak saway di wat lolu ñuy desaat ci bi tay So dégloo Ousmane Sonko ci jamono mu il est temps que la France nous foute la paix je n'ose pas imaginer un seul instant ci barké Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye falu ne non non non damay continuer desaat encore ci rouage France yoy man mënu ma imaginer dal sama xel mënu kaa dégg ci li ma yaakaar te damay ñaan suñu borom mu dimbali ci président bi. xam nga dama tambu sumay wax may may wax en parabole manam di indi dalil suma ma indi benn. muy Côte d'Ivoire 2000. oui. ba biñ koy jàpp ñëpp seedeel nañ ko benn wax paasa. oui. te loolu su ko waxee di nga xam kan lay ndural instant bi histoire boobu kan lay ndural ñëpp seedeel nañ ne Gbagbo. Mhm. bëggul xaalisu jàmm du laal xaalisu état bi il est il est pas corruptible. Mhm. du même exemple bi ñi fi oui. ça la France. oui. bi dama koy briller fal ci deux mois. oui. France affaire bi naqari ko mu jaar ci quatre étapes. Mhm. quatrième étape bi mooy li mu def dans le nord du pays à Boaké mooy boo déggee incident de Boaké boobu. ñaari armée yi armée armée française am na côte ivoirienne. xeex fa exploser dëkk bi. oui gars yi ñëw déstabiliser Gbagbo. c'est ça. entreprise bu nduróox euh, entreprise wu euh, militaire boobu euh, waa xam nga français yi tamit am nañ seen Wagner. waaw Zeus la tudd. ay mercenaire yu bon. waaw léegi français yi xoolal kooku déstabiliser woon Gbagbo. ko indi Ouattara. jamono kooku la ñuy yóbbu Zeus. Zeus moomu léegi moom mooy gérer port Côte d'Ivoire. <laughs> c'est terrible c'est terrible. français yi duñu mës a bàyyi. loolu nag bii boo ñi fi nekk nii xam ko man nag xam nga xam nit ki xam jikko ma ko gën. waaw dama yàgg ak ñoom. waaw ah. ñii dama leen xam. ah on est pas on est pas si ay affaire paranoïa wala ay. oui oui oui c'est-à-dire tu avec eux tu les regardes xoolal tey ji par exemple le président Bassirou Diomaye bi mu ñëwee journaliste yi Sénégal dégguma kenn ku wax li fi président bi wax si woon te pourtant si média yi fii li président bi wax ci bi di ak li mu wax ci bi yëpp dañ ko fi wax notre président a, négocié la réduction de la présence militaire au, Sénégal, au lieu que nous 300, Alors, alors, que, le départ, c'est ce qui devait être acté, c'est tout. que Exact, exact. Exact. nous, nous, nous nous, nous, nous, Sénégal nous, nous, amel wa wa wa wa wa wa wa wa Eiffage. oui loolu lañ ko ñëw di négocier. léegi troisième bi nag bi nga xam ne waxuñu télé yi Sénégal dégguma kenn wax ko France lan la Macron bëggoon comme Sénégal dafa yor tànk bu oyof mënu dugg ci biir dëkk yi xulu euh, France ci biir Afrique mooy à savoir les trois pays là Burkina Niger ak Mali nan la def ba ba monsieur eh, le président jubbaale la la France. Mais non bii nii. bi ko bi ko Tinubu mission boobu bettu parce que loolu wax nañ France bu yàgg. oh là là mais mais mais mais Alpha. Alpha il faut que Alpha Alpha il faut que ce pays là motax ñuy wax tout le temps né sénégalais yi jóg leen ñu protéger le président de la république avec le premier ministre avec l'ensemble du gouvernement sauf que sauf que il faut énormément de transparence, transparence pour que nit ñi mëna xam li xew mën leen doolé litam. et si si pour ñu duggé ci ay xumto ak France bi lu doot ñu doon ray suñu bop naan bu mu dem France bu mu dem France xamoon nañ fi fii la ñuy duggal bu fekké ne que dañoo xex ba tollu fi nu wax ko fi nguur gu bees gi bu duggaté ci lëkkaloo gog mom na leen leer ni du ñu réussir te ñaanaluñ leen lool. France sénégalais nous des alliés de partout aujourd'hui il y a un triangle équilatéral qui s'appelle la Russie la Chine et l'Inde nga Corée du Nord ils sont en train de s'organiser à un niveau fort la Russie vient de découvrir au niveau de l'Antarctique 511 milliards de barils de pétrole aujourd'hui aduna bi je sais pas si nos autorités nous, li ñoy wax ni mais nous ko gëna quel est le problème lan nous nekk ci suuf ba nit ñi wara ragal wala on ne sait quoi tal li nga ma expliqué ni liñ ci dégg liñ ci liñ ci xam quand j'entends Biram parler sur RFI mais je, suis aux anges et je suis si fier maintenant pourquoi nom de Dieu la magistrature suprême mënul am l'impression am impression que dafa melni carte gi dafa mu nekkoon nekkatu fa ça ça gêne quoi. en tout cas elle bi mom mon na ah waaw élan bi mom wàññeeku ah, ah. Ah. xaw mo nak ndax stratégie bu bees la wala mais elan bi mom wàññeeku na. ah espérons que c'est une stratégie peut-être espérons. Hmm. espérons espérons en tout cas elle a parce que parce que su fekkee ni que su fekkee ni que tu as l'ancien président du Sénégal qui travaille pour la France le nouveau régime qui vient euh, mais, ne su wax mais nous devons faire attention de. oui faire attention. ko bëggee ah bon nous croisons croiser les bras comme comme ils ont fait trois mois bon on attend yalla na yalla yalla na yàlla ba ñu mën def face mais Alpha il y a une réalité qui est là en face de nous aduna ñaar ci am dundu ben la dee ben la mm-hmm. gor ben la jam ben la te aujourd'hui il y a eu la bravoure de monsieur Sonko Ousmane qui a bravé mais l'oppresseur à un niveau inimaginable moom ak ñi mu àndal mais loolu doo ko loolu doo ko xeex ba toll fii loolu doo ko xeex ba tollu fii africain yëpp tàccu la non ngay sàggan tubaab yi di la dugalaat ci ci ci di la wër ndomb te yàgg nañ koo wax ne di leen nu wër ndomb Lolo, il faut que président bu bees bi tamitam mu bañ nek, nekk mu gars à la lettre ak ses conseils là des pions yo, xam ñoo mais jege le niveau stratégique mais mais mais à un niveau ba pare di ko conseiller di ko di ko dugal ci guuta ay Gavi ay France ay yow africains yi génn nañ ci crime ak meurtre Alpha xam lu ñuy def dama lay damalay dama lay le discours de Ibrahima Traoré ñu door a tëj ah. je il faut que il faut qu'on écoute ça pour que parce que à un moment donné aussi euh, nous on va pas être ci ci ci soutien du du du larbinisme ak de ñàkk fayda quoi loolu mënuñu ko ñun on peut pas te ngour bi waru nangu loolu te yalla na la bañu bañu bañu bañu bañu bañu parce que ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible euh, alors on va écouter euh, le discours du président Ibrahim Traoré lors du sommet du 6 juillet, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Euh, alors, euh, je pense que euh, on va l'avoir ici. Et, et, tu as vu comment il a été accueilli chez lui, Alpha Oui fii ak 10 ans. dinañu romb Sénégal ah c'est clair <laughs> c'est clair. waaw bu dee bu changer ñu ñu stratégie. oui kooku de maa wax. oui oui. et et c'est dingue quoi cest à dire que li ñu contre Macky Sall vaccin ak top tubaab bi mais loolu loolu nguur bu bees bi waru waru waruñu sax xalaatee quel que soit nag à moins qu'on nous dise à moins qu'on dise aux Sénégalais écoutez si on lâche la France aujourd'hui ils vont nous massacrer nañ ñu ko wax mu leer bu ko defee ñun ñu cekket rek ne patt xam ne loolu pas xam ne yàlla mënaluñu dara waaye tubaab yi mënaluñu dara il faut qu'on arrête quoi il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête à un moment donné il faut qu'on arrête am loo xam ne mënut a wéy nit doo nangou doon lagara il faut refuser ça munoo ko xeex ba ben moment bi gars ñew di la piège di la ci c'est pas possible. Hmm. c'est pas possible. ah war nañu ci dimbali e chers participants donc au premier sommet. Euh, alors euh, voilà. des différents gouvernements de l'AES. Alpha ngi chers participants donc au premier sommet le chef d'État de l'AES, bonjour. C'était un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Miami. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avenir et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'année ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AIS. E L'Afrique ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procède-t-il C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repères, que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation bas son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés, et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la bouche démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valeurs locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela parce que c'est eux qui éditent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 G 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Voilà. Je pense que Alpha. Wow. Le président Noko Gondo, Ibrahim Traoré de son discours lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel cette fierté là à écouter un discours pareil

man pour man euh, Ousmane Sonko dafa waroon profiter de ci lool ah. et on dit pas que on dit pas que ni eh, dañu yalla dogal na nañ leen par la violence. bah et man j'aurais accepté voilà donc on dit voilà sur les termes d'une euh, d'une relation stable. et la France bon je vous donne deux ans pour quitter mon territoire. oui. définitivement et que l'autre, c'est des questions de souveraineté Bon, demain, France de Gaulle avec l'opération encore. oui Les américains ils gagnent. leen Waouh, nag waaw génn dire que c'est une question de souveraineté. oui oui voilà après mon après mon on verra mais cette visibilité c'est mon de wax dëgg oui militaire C'est Alpha. Euh, vas-y vas-y vas-y vas-y. waaw ma ne keroog euh, rond point fii euh, teer bi di jeexee à Dakar ci rond bi noonu dama jékki-jékki rek euh, ñi ñi di daw benn sens rek auto militaire français bi rek fël la dawee contre sens dagg tali. c'est pas possible ma yuuxu ko ma ne ko yow ma ne ko yow lii di nga ko def sa dëkk ma ne ko yow yow. oui et pourquoi tu le fais ici. waa ji xooluma sax. du la xool <laughs> parce que ñun ñoo ko ko may ah. ñun ñoo ko ko may sunu ay njiit ñoo leen ko may. non policier baa ngi taxawoon foofu ci digg bi.

téye sa monnaie foofu sax ñu bari mën nañ ne loolu teel nam teelul bon ku nekk mën na si am sa point de vue mais base militaire yi dafa war a tàkk. incroyable. dafa war a tàkk c'est premier man su ma ñëwoon première chose bi may def France may man du ma xeex ak yow di ñëw di la bousculer di tëj koroñ. je te je te donne un an je veux que tu quittes mon territoire. Alpha Alpha Alpha un an dafa bare xanaa du gàddu yi bagage rek jóg dem may la ñetti wër nga may ma xajal ma sama dëkk loolu yomb na ñetti wër mais 100 jours la 100 jours yi ñi tok ci sen presse ci sen média di ko wax way les 100 jours de Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président sénégalais nangam nangam 100 jours yoy la wax léegi yéen dama dama ne man dama nekk liin sama bopp bala ma def sama déclaration politique générale sama PM ak machin mais Alpha à moins à moins d'une chose qu'on me dise que écoutez Sénégal le ak de qui yi yeneen de qui. on me dira que coup d'état le wadi ji décidé ensuite que fille Sénégal oui nous avons la démocratie nangam nangam sachant que effectivement comme quelqu'un qui le dit ci commentaire à la place du putschiste militaire on a le putschiste constitutionnaliste comme Macky Sall autant ak ñeneen ak mais enfin est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui peut may tëjee ak est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire les qu'est-ce qu'on doit faire ah bon pour à son prétention moi, ah, bah comme gars yi fi nekk moom do li nga comme ñoom la sénégalais yi à 54% donc nous ñoo sommes décidés décider loolu mais man dans le virtuel maa n'est yow ñii paasal ñu toog di waxtaan man je dis instant bi bu fekkee ne oto la table de bord lu rouge day wone danger lu orange di la signaler la tu dois réparer quelque chose man je dis que on est à l'orange oui oui il faut réparer quelque chose oui en tout cas j'ai vu en tout cas Fille France ay nit ñu frustré sur le début de la gestion mhm. bon j'éclaircis sur le début de la gestion mhm. parce que man mii di la wax man sama bureau de votre fille, Paris la nekkoon mhm. euh, veille élection yi mu ma que Sénégal parce que Macky Sall dafa du def élection mu Je Sénégal pour à fa lu veille élection bi la la la la la bima ma ñëwee dama perte sama avion ci guddi googu jëndaat billet rien que pour voter ji Bassirou Diomaye fay oui maanaam pour man chaque voix comptait exact kon nag tey ji man su li ma jëndee seen victoire moo bari man moo cher ci man mhm. lu ma mën a wax ak mënata wax mhm. te ñett rek tax ma jënd ko souveraineté économique souveraineté monétaire souveraineté alimentaire c'est ça léegi nag te loolu moom maanaam si l'on réglait la di nous ñoom doon wax chaque jour. le premier bu ñu pour man c'était les premiers à régler. Mm-hmm. Maintenant, nag ba ma ñëwee voilà déjà recevoir nañ waa AFD agence française de développement. Ah. ay aide de développement di dugg fan AFD dina fa la milliard yu Bari. man ci sama xel bu je vais dire bah ils vont pas se débarrasser de la France ils prennent l'argent de la France ak directement mais les organisations uniques, nekk bon da ngay gis ay écho di xam ne lii mu ngi demee may jox peut-être c'est une stratégie bon peut-être si kanam dinañ ko prouver mais en tout cas nous ñu ngi taxaw di xaar et que la meilleure chose en tout cas pour donner un bëri espoir c'est wane ne dëkk bi suñu dëkk même mm-hmm. l'armée française n'a rien à voir à collaborer avec la France. Ouais. ay armée na dem Djibouti Djibouti pour ay armée on a am fa ay armées ñu ils n'ont qu'à quitter parce que wax ne mm-hmm. France pour le commandement militaire pour l'Afrique exact muy Pascal Lanime. exact. kooku nga xamné mom mo téré won woon euh, Nathalie Yam mu dugg bi France. exact. té mom ci ay vidéo doon na wax lii lii liggéeyam moy guerre d'influence yi ci télé yax ci réseaux sociaux yi nan la nit ñi di def ba wara a nan France dégage. c'est ça. néna na bu ñu bay manifester mu rëq seen digg. c'est ça kooku lañ jox lañ jox. ambassadeur pour. monter pour un service de fonds. Mhm. Mhm. de nous le ah grave. ce qu'il faut faire c'est de sensibiliser et de montrer quels sont sont nos points faibles. c'est ça c'est tout c'est tout sinon sinon sinon sinon Alpha ñu te rek sinon Inchallah ça va être la stratégie de le cointre qui dit dans 10 ans il faut que nous dem suñu Afrique coloniser leen malheureusement dans le temps dañu ci ils ont fait fonctionner cette traîtrise là dont certains Africains parlent Sénégal nous ko ci jamono il ne faut surtout pas yalla na ci yalla musal nguur gu bees gi muy jaar ci Bassirou Diomaye jahar fay yalla nako ci yalla muccel ah ñun daal ñu ngi taxaw di xaar notre prochaine résistance sera contre la présence des bases militaires françaises sur le territoire national c'est tout dinañ laisser nag dinañ laisser nak le temps au temps peut-être ñoom ils ont le temps que nous nous avons pas mais man amna temps bu ma ko suma su bo demee ba gisutuma ko dinaa taxaw ci télé bi commencé nak défendre samay idée en toute responsabilité et sans violence comme je l'ai toujours fait. jerejef jerejef jerejef Alpha on on va se reprendre plus tard Il na a fay la kontaan nañu euh, ñu joxante dajé ëllëg ak jàmm inshallah inshallah jerejef voilà voilà voilà. Voilà où nous en sommes. Parfois, c'est lassant, c'est épuisant. Donc comprendre Il comprendre y a le le président Bassirou Diomaye Djahar le premier ministre Ousmane Sonko l'ensemble des membres du gouvernement l'ensemble des directeurs généraux l'ensemble de l'administration sénégalaise fonctionnaire, l'ensemble des contractuels ça et là prestataires et tout ce que vous voulez l'ensemble du peuple sénégalais ci loxo France ga bon gii nga xam ni seen plan yëpp moo di ne toogaat suñu kaw def nu nanu doon def wéyale ko ci ay siècle yàlla na yàlla libéré Sénégal ak sénégal yi yàlla na yàlla libéré CEDEAO yàlla na yàlla libéré africains yi yàlla na yàlla def CEDEAO boobu tas dem ci beneen niveau dundu dundu alliance des états du Sahel bi nga xam ne ñoom am nañu wéeruwaay ba nangu seen ay yëf dàq la base américaine la base française taxaw loolu nag wéeruwaay bi ngeen di lank ñenn ñi ak yenn pion yi moo kaa def maanaam pion yi nga xam ni dañuy lank ne kat yéey yaay yéey yaay yéey yaay non duñu fi jëlee France pour indi fi keneen saa yu ngeen ko déggee xam leen ni pion yi la saa yu ngeen déggee kenn na leen non non duñu fi jëlee France di fi indi ay Russie paasan tu es pro saa bu ngeen ko déggee pion ya la ñooñu nag ñii salaire la ya ñuy am ñii voilà parce que dañuy informer tubaab yi ñii parce que parce que lépp te yow li ngaa def noonu yëpp pour ne yee dem dundal say ñetti doom ñeenti doom jox sa jabar dépense gérer sa kër jaay baax ca koñ ba joxe asaka nangam na nga ne julit nga wala chrétien nga gëmoo yàlla gëmoo dara ku jaay sa askan gëmoo yàlla gëmoo dara ku jaay sa askan nag boo naanee coca cola wala daan buy bu tàng yaakaar ni sa dund neex na ruux nga siiru daaka layoog suñu borom fii daaka layoog suñu borom fële Sénégal ñoo far. nu fanaan jàmm incha allah.